Ousmane Sonko sur les listes électorales exactement ba jangat nga siy def. waaw euh, lu ñu mën a jàngat tey jii euh, hmm. décision bi nga xamné mom mo moo ci tribunal bi euh dafa am décision bo xamné mom moom la joxé une décision bu jóge woon ci tribunal de Ziguinchor. Mm. donc ki nga xamantene ne moy le juge euh, Sabassi Faye moom dafa une décision en réintégrant Ousmane Sonko sur le fichier légui par la suite les agents judiciaires de l'État ñom dañu duggal li nga un recours pour contester cette décision là donc aujourd'hui procès bi nga xam euh, assisté avant-hier juge joxe tay verdict il est dans la continuité concernant la décision bi nga xamante ne moom lay moom la le juge euh, Sabassi Faye joxe léegi nag Arfan bi ñu la koy wax léegi nii au moment où la décision de justice. alors ñu ngi ñëwaat si yow micro bi dafa xaw a am quelques soucis rek du côté daara ji soo leen ko mënee xoolal euh, li nga xam ne que moo di euh, micro Mamour donc je rappelle que c'est une édition spéciale par rapport ak li nga xam ne que moo di justement cette décision bi nga xam ne itam jóge na tey jii fa nga xam ne itam mooy zaanu grande instance bu classe, bu Dakar jëmale si li nga xam que la radiation bu Ousmane Sonko donc ñom mujj nañ ko li nga xam que moo euh, annulé exactement c'est bon euh, alors donc les signes ñëwaat exactement alors enfin ñu ya di ñëwaat si li nga xam que modi voir lui alors peut-être ñi xaar exactement li nga xam que modi le juge da di motiver sa décision euh, dans les heures à venir Inshallah, fan la daal di décision bi nga xam ne itam jël nako alors nga la di jàpp ni il ne pouvait faire que ça. Euh, justement par rapport à quoi le oui mais bien sûr. Mm. parce que euh, nee Dembofi, le juge ce qu'il va juger il y a pas un élément. Mm. élément bu bouillon au rajouté au dessus le dossier amul. mais mais le juge s'il va juger il va juger ce même dossier qui a été à ça avec les mêmes avocats avec les mêmes preuves avec les mêmes preuves amul élément boubesse, bouillon Yakouti donc euh, dossier Ousmane Sonko boobu ba eu waral un jugement un jugement euh, euh, à Dakar donc le juge de Dakar il n'a fait que reconstituer les mêmes éléments de base fondamentaux yo xamante avocat Ousmane Sonko éléments yo un ñu à mm-hmm. le jugement n'a pas changé mm-hmm, mais c'est ça la réalité en matière de justice c'est comme ça on ne connaît que des preuves. Manela, va amener le juge, un juge où tu veux au monde. Si S'il n'y a pas un élément, Boubès, Bougno, dossier, le même dossier là qu'on a amené à Gigansor, aujourd'hui, euh, Mandama Ambekte, parce qu'on a tellement salué le nom du juge Sabasifai et le tribunal de Gigansor. On l'a salué. On l'a taxé de tous les noms d'oiseaux. Ni que Mom, mon frère son, frère et le sixième conseiller de la mairie de Ziguinchor, moi, Dafafar. Donc, Ousmane Rassington, heureusement, son frère n'est pas un conseiller à Ziguinchor. Mais pourtant, il a dit la même chose que Sabassi Faye. Moi, Sabassi Faye, aujourd'hui, Sigil Nanyuko. Sigil Nanyuko. Sigil Nanyu Sabassi Encore une fois, Sigil Nanyu, le tribunal de Zigansor parce que nous, bari dañu c'est un tribunal bon à oui c'est aussi Ousmane Sonko va gagner là-bas parce qu'il est le maire oui le tribunal de recevoir des pressions de la part de la population de Gigansor. c'est faux ce qui est diamétralement faux et sordide c'est des mensonges encore une fois euh, euh, euh, ces mensonges-là ont été réitérés par le juge Ousmane Rassilton. Ousmane Sonko ce dossier-là, amener ce dossier là où tu veux. Yobu ko finane, l'année Ils vont juger de la même chose. Parce que dossier bi, le fond, le fond du dossier, les éléments n'ont pas changé. Les éléments n'ont pas changé. Et vous voulez que une décision Bouaro Akbou Sabasi Fay, alors que le dossier n'a pas changé. Okay. Mais Ousmane Racine il va dire ce que Sabasi Fay a dit. C'est clair. Yoboulen que tribunal boulen ne, même boulen ne, yoboulen kondar, ou la caisse. Si le même dossier, le, le, le juge beaucoup jugé, il va dire la même chose. Mm. C'est ça la réalité. Alors, ma c'est-à-dire il est dans une logique moments moments ngi des déglu euh, le juriste Pape Moussa Sow il n'y a pas d'élément nouveau dans ce dossier là donc ce qui est clair et net moi le juge le juge du tribunal il va être dans la même dynamique il va être dans le même processus en appliquant la décision qui a été rendue par le juge de Ziguinchor on s'en félicite il faut le dire euh, euh, parce que ce les cinq aussi cadre yi nga maître Clédor Sir euh, euh, maître Clédor yëkëti nako néna ñom na ils s'attendent ils s'attendent à ce que tey l'État Madame agence judiciaire yi ñu déclenche une autre procédure loolu xam nañ ko et loolu avant décision bi di am ñun ñu ngi si doon wax Arfan wax na si man le la ko wax au moment où la décision a été euh, rendue comme nico ko maître Bamba Cissé waxee le mandataire doit aller récupérer les fiches de parrainage parce qu'il y a une décision qui a été appliquée est-ce qu'on va être dans la logique parce que Degluna Benet, avocat il ne fait pas partie du pôle d'avocat d'Ousmane Sonko je vais le citer en référence Mouy maître il se permet de dire que d'accord euh, ki le juge Sabassi Faye une décision non non non xam nga xam aussi am euh, ce qui est sûr moi, les agents vont aller au bout de leur processus mais man ma taxaw ci benn position xam nga moom lan si le droit est appliqué si le droit est appliqué dans toutes ses formes si le droit est appliqué normalement Ousmane Sonko doit être candidat pour les élections de 2024 man je suis dans cette logique là donc processus bi nga xam ne entamé nañ c'est leur logique ils ne vont pas laisser mooy waral le pôle d'avocat de Ousmane Sonko ñoom dañu def alerte xam nga mooy ban alerte ce qui est sûr mooy même ñun suñu amee dëgg il y aura un pourvoi et voir bon non, ça doit se faire dans un délai de 8 jours. Mais actuellement, il y a une décision de justice qui a été rendue. La décision doit être appliquée au moment où le juge a rendu cette décision-là. warul am ben est-ce que euh, agents judiciaires déclenchent dañuy déclencher procédure est-ce qu'ils vont le faire euh, dans la limite est-ce qu'ils vont le faire dans le délai c'est des points d'interrogation mais l'Union ñu mën l'État cherche à gagner du temps et cherchera toujours à gagner du temps concernant le parrainage de Ousmane Sonko. Alors, euh, c'est vrai, hein, ce qu'il a dit, c'est normal, lol, moi, mais euh, mon inquiétude, il y a l'inquiétude ne se trouve pas au niveau du, tribunal euh, de, la Cour suprême. D'où faut-il inquiétude bi. Man, l'inquiétude, d'abord, inquiétude ce Conseil constitutionnel. Parce que la décision rendue par le tribunal hors classe de Dakar ne va pas changer. Nous sommes wax cour suprême cour suprême la cour suprême ne va pas ne va pas non changer tu sais pourquoi tu sais pourquoi le tribunal hmm. euh, la cour suprême ne peut pas changer la décision c'est le même élément le même élément même la ñuy à Ziguinchor le même élément même le juge au niveau du tribunal hors classe de Dakar avec un autre juge différent, avec un autre parquet différent et une constitution bobesse des, des, des, des juges. Moi, madame, pas les mêmes juges qui ont, qui ont, qui ont, qui ont jugé le même dossier. Maintenant, dis-moi, Cour suprême, fallait Diar, Nyari, que ça soit le tribunal des que ça soit le tribunal hors classe de Dakar, Wahounou Dege, les Fall Diar, sur le même dossier. Donc la Cour suprême n'a pas n'a plus le choix et son bien. Cour suprême ça bu ko ça sax mu mën na notifier je respecte la le juge le juge le jugement du du tribunal hors classe de Dakar. xamoo mm, loolu. Mm. bu ko ya un ñoom bu ñu la cour suprême mën na notifier si on yoon yoon moo ko may mën na ne man je respecte le jugement des deux tribunaux mm. parce que man dama leen wóolu mal man mon maître et la dafa justice c'est comme euh, immeuble mm. d'accord dafa am de chaussée am ba cinquième étage 10e étage mm. c'est vrai mais mom lu mu wax ni que de bi premier étage deuxième étage mm. lu forcément forcément dixième étage day ne euh, c'est annulé mom faté na wax rez-de-chaussée bi lu mu jugé ak deuxième étage bi xam nga rez-de-chaussée bi moy tribunal bu sort hmm. premier étage bi moy tribunal hors classe de Dakar. mais non mais mom selon selon mom catégorisation. moom de instance yooyu. mais c'est ça c'est mettre la justice wax na loo xam ne da condamné. Mhm. mu ne yi ay tribunal yu ndaw yi ku di ay Ziguinchor wala ay Dakar ouais mais. Ah, loolu aussi condamné ces propos là. parce que franchement loolu honoré wul suñu justice quand même. Mm. non non mais lool la. Mm. xam nga boo taxawee di minimiser ay tribunal lool li la ñuy wax c'est pas le rôle d'un avocat. Mm. Ce n'est pas le rôle d'un avocat. Un avocat ne parle pas comme ça. tu ne verra jamais au monde un avocat si arrogant comme Maître Eladjouf. Il est arrogant. À mon moment Ousmane Sonko, moi, saga, moi, Mais est-ce que Ousmane Sonko, moi, un maïsra?

c'est un candidat, c'est un inspecteur des impôts et d'amène. C'est pas c'est pas c'est un politicien. Hmm. Mais maître Eladjoub, c'est un juriste, c'est un avocat qui est mieux placé pour respecter l'institution de OK, c'est clair. Mais mon est dénigré tribunal yoyo. On attend ce que à ce que le barreau mouako. Hmm. Man c'est ce que le laïcar. OK, c'est clair. le barreau depuis pour les avocats, mon mouako. Mon ko li nga fan nga ko Alors c'est clair.

ok ok waaw ñu ngi wax si yow si micro bi exactement donc jàpp ni itam li nga xam ne que moo di le juge du tribunal d'instance instance bu Dakar nag annulé na Niki, ki li nga xam que moo jeudi bi 14 décembre 2023 radiation bi nga xam itam nekkon na jëmale ci ki nga xamné ne que moo Ousmane Sonko jàpp leen itam fu mu toll nii ki nga xamné ne que moo Ousmane Sonko del soir na ci nga xamné ne que moo liste électorale yi pour rappel li nga xamné ne que moo tribunal bi niki li nga xamné ne que moo mardi bi nga don na daal di débattre par rapport ak bobu des radiation jëmale ci nga n'est que la euh, réintégration ou non euh, Ousmane Sonko si liste électorale yi jàpp ni lu dépendre exactement sa participation jëmale si présidentielle atupa 2024 ma ni kon juge bi euh, Cour suprême gina bu mu cassé di casser décision bi le 17 novembre bien le jugement bi nga xamni tam sa Sabassy Faye moo dal di yëkkati woon annulant la radiation bu Ousmane Sonko tay que nak li nga xam ne moo di classe bu Dakar fekk si na ki nga xam justement euh, la cour euh, hein, euh, li nga xam nekk bu de radiation den dal di exactement itam par rapport la réaction bu ki nga xam ne moo di nguuru mu si poste bi nga xamni tam def nako ko allant dans sens waaye tam bu njaga ci la parce que si suñu xol arfan pas mal ay juriste ñep taxawone japp ni ki nga xam ne moo Ousmane Sonko article L41 Sonko fa daal di jaarale moy ko xamni tam jotul radiation directement cette radiation mënul daal di effectif et que ñom ñu jël ben vidéo bo xamni tam Ismaël Madio Fall moko defone que ni musul wax ni la radiation de Sonko elle est euh, effective exactement dem dem yóbbu ko fa nga xamni tam moy zanou zaanu ko juge bi man euh, ni kon aujourd'hui euh ni kon aujourd'hui, euh, 35 avocats, nous euh, euh, donné